li nga xamante ni moom la ñu doon jooy depuis 2005 bi léegi moom moo fi nekk te ñun li ñu dal dañu bëggul muy dal suñu doom yi nga xamante ni tey ñooy receveurs yi nga xamante ñoo nekk si oto yi projet bi bi mu ñëw dafa ñëwoon secteur informel la ñu nekkoon ñu ñëw secteur formel muy tata yi ñëw léegi bi étage moo fa nekk moom am chauffeur ak receveur du contrat de travail du embauchement du IPRES du IPM du dara lu dul limoo nga rek nañ la paccal ba jeex ñu sànni la da ngay jékki-jékki nekk jigéenu wérul bu boobaa waroo liggéey code de travail may na jigéen congé maternel xale yi waxuma la euh, ëmb ku si di indisposé sax ñu daax la dafa nekk loo xamante ni métti na ñuy ñaan nag mooy waa ministre de travail ak ministre de transport surtout waa seti lépp loo xamante ni waxoon nañu ko ak travailleur aftu yi depuis deux mille cinq amul lenn lu ci am plus de quatre jaar nañ fi amul lenn loo xamante ni def nañu ko dañuy ñaan nag tey jii notaire boobu ak buumu njaam boobu nga xamante ne moo nekk si baatu chauffeur yi nañu ko tekki bàyyi chauffeur yi ñu nekk ay gor pour ñu mën a li ñuy liggéey ñu mën si gis seen bopp xëyal heure de crime wàccal heure de crime buñ la agressé seen yoon na gars yi indiwaat seen xel xam nañu ñun li nekk si transport bi ñi si amoon benn oto tey ñu ngeeg ñaar fukki oto mais suba rek suba nañ am si oto yi Nous sommes là aujourd'hui, c'était la fête du 1er mai, autrement, le ras de bol de tous les travailleurs, surtout le secteur de l'Aftou, Il y en a des nodis c'est de l'esclavage total parce qu'on te fait travailler plus de 16 heures de temps, sans congé, sans caisse de sécurité, sans IPRES, sans contrat de travail. Nous sommes dans la précarité. Moi qui vous parle là, j'ai osé organiser une journée de la femme autrement parce que j'ai fait appeler les femmes juristes sénégalaises au niveau de mon terminus et ils ont parlé avec les femmes pour leur dire que vous avez le droit d'avoir des congés de maternité. Alors le lendemain, mon patron m'a licencié abusivement comme ça. Encore une fois, pour dire au ministre de l'Intérieur que les dossiers qui traînent au niveau des tribunaux, qu'il prend en compte le secteur de l'Aftou. On a des dossiers qui dorment au Turmidan. Concernant les femmes, on a des droits comme des congés de maternité, le droit à l'allaitement. Une fois que tu es enceinte, tu ne peux pas travailler, donc tu es exclu d'office. On en a vraiment marre de cette situation. Les bus ont une assurance, mais l'assurance, ce n'est que pour les clients. Le chauffeur et le receveur, encore moins le contrôleur, ne sont pas assurés. Pourquoi Parce que c'est la caisse de sécurité sociale qui doit les prendre en charge. Et si tu n'es pas embauché, tu n'es pas inscrit au niveau des institutions publiques, tu ne peux pas bénéficier de ces ces privilèges-là. Pas mal de chauffeurs qui ont pu faire des accidents, mais on fait des quêtes au niveau des terminus pour les venir en. Vous trouvez ça normal 100 000 francs ne peut pas tenir une famille. Les transporteurs du jour au lendemain, ils se lèvent pour, pour augmenter les tickets sans pour autant nous on soit au, au, au, au courant. Nous ne sommes pas informés de quoi que ce soit.